sommes jeudi 1er juin, chers auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangou. Vous nous écoutez à travers nos radios partenaires, merci de votre fidélité. À la présentation, c'est Rabia Mekano et je suis avec Salamatou Kadri. Bonjour Salamatou. Bonjour ma belle. Ça va Cool. Ok, la technique est assurée par Amina Hassan et Adama Dawaki assure l'édition. Ravi, qu'est-ce que nous avons prévu Bon, qu'est-ce que nous avons au menu de cette édition sally c'est parti pour une heure d'actualité et de divertissement grâce aux différentes rubriques qui composent cette émission. Et comme invité du jour, nous recevons Ismaël Abdurrahman, coordonnateur du projet Save the Environment. L'émission, secteur d'activité, initiative, défi. Dans cet entretien, nous saurons davantage, nous en saurons davantage sur cette jeune ONG. Une heure d'émission rythmée par de la bonne musique, restez câblée. Chers auditeurs, nous commençons cette émission avec notre flash d'information présenté par Rafika Attaher. Rafifi, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour Sali, bonjour Rabi, comment vous allez Quelles sont les nouvelles ce matin Alors, pour les nouvelles de ce matin, il y a l'aviation sans frontières qui a offert 50 cartons de produits et intrants médicaux divers au CSI Gondagarki de Maradi. Le don a été réceptionné hier par le gouverneur de la région au cours d'une cérémonie à laquelle on prit par de nombreuses personnalités politiques, civiles et militaires. Tous les orateurs qui ont pris la parole encouragent les éléments de la diaspora de Maradi à s'inscrire dans la même dynamique. Ensuite, euh, une, l'enveloppe du projet Learning Improvement for Results in Education Niger Lire est passée de 140 à 370 millions de dollars selon le ministère de l'Éducation nationale. Ce financement additionnel intègre une nouvelle composante infrastructure dans le projet Niger Lire. Cette annonce a été faite à la suite des négociations entre les, les, délégations du Niger et de la Banque mondiale sur le financement additionnel du projet LIRE, dont l'accord a été signé le mercredi passé au siège de la Banque mondiale sous l'égide du ministère du Plan. Pour rappel, le projet Niger Lire a été initié par le Niger avec le soutien de la Banque mondiale afin d'améliorer la qualité de l'enseignement et l'apprentissage dans certaines régions du pays et de renforcer la planification et la gestion. Enfin, dans ce flash info, au Niger, l'Agence française de développement AFD compte débourser 22 millions d'euros, soit 16,7 milliards de francs CFA au profit au profit du projet d'appui à la sécurité alimentaire des ménages et du projet de prévention sud-ouest de façon spécifique le projet d'appui à la sécurité alimentaire des ménages. PASSAM 5 va bénéficier d'un montant de 10 millions d'euros sous forme de subventions destinées au soutien des ménages les plus vulnérables en améliorant leur sécurité alimentaire. Et le projet de prévention sud-ouest, quant à lui, bénéficiera de 12 millions d'euros en subventions. Il vise à apporter des réponses à des défis multiformes auxquels la région sud-ouest du Niger fait face en se concentrant sur des solutions durables et inclusives avec un accent sur la prévention. C'est tout pour ce flash d'information, Sally. Merci. bien, Rafika. C'est toujours un plaisir de te recevoir sur cette émission. Plaisir partagé. Chers auditeurs, comme invité ce matin, nous le rappelons, nous recevons M. Ismaël Abdraman, le coordonnateur du projet Save the Environment une organisation environnementale qu'il va nous présenter dans quelques instants. Bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Rabia, bonjour Salamatou, merci pour l'invitation. Merci. Mais avant Rabi, avant d'entamer notre discussion, une première balade musicale avec Cheta de Safiata. Cette chanson vous dit quelque chose Rabi Oui, euh, ouais, ça me dit quelque chose. Et vous, Monsieur Ismaël Oui. <laughs> ok, d'accord. On kiffe et on revient. nos auditeurs, ils ont compris que je ah le kiffe vraiment. Dans ce titre, Safia parle de la mauvaise foi et de la méchanceté qui envenime les relations de nos jours. Perso, pour moi, c'est juste l'un de ses meilleurs titres. Elle chante l'importance de la solidarité. Ravie de son vrai nom, Safia Aminami, une chanteuse, interprète et compositrice nigérienne. Elle se lance dans le monde musical lors de ses études au Maroc, dans la ville de Rabat, où elle intègre un groupe musical latino-américain. Une fois de retour au Niger, elle continue sa carrière musicale en intégrant le groupe de rap Kaidangaskia. Aujourd'hui, Safiat évolue très bien en solo. Elle chante les hits, elle enchaîne les hits et continue de faire la fierté de la musique nigérienne. cette pause musicale, chers auditeurs, retour au studio avec notre invité du jour, M. Ismaël Abdrahman. Présentez-nous cette organisation dont vous assurez la coordination et qui sont ses membres. Encore une fois, bonjour et je vous remercie pour l'invitation. C'est un honneur euh, pour moi d'être euh, ici avec vous, de présenter notre jeune organisation, si on peut, euh, on peut le dire comme ça. Elle a été créée en 2018, donc à vous d'en juger. Alors, euh, le nom c'est Save the Environment, c'est un nom en anglais qui signifie littéralement en français protection de l'environnement. Alors, c'est une ONG de droit nigérien créée par des Nigériens, euh, par un groupe, euh, comment dire, des jeunes des jeunes euh, issus de diverses formations académiques, euh, des biologistes, euh, des, des forestiers, il y, en a, il y en a vraiment des géographes, il y en a de, de, tout genre. Moi, je suis géophysicien, par exemple, je suis géographe. Donc, voilà. elle a été reconnue. autour de cette cause tous ensemble Comment ça s'est fait Très bonne question. Au début, en fait, comme je l'ai dit, comme je le disais, euh, euh, comment dire, euh, elle a été créée par un groupe d'étudiants. Donc, à, l'époque, en 2018, on avait vraiment pour pour cette ambition, comment dire, de contribuer à, par exemple, à préserver nos, petites forêts urbaines à faire de la plantation d'arbres, à sensibiliser sur, euh, sur euh, comment dire, l'environnement, sur la protection de l'environnement, sur euh, comment dire, l'insalubrité, par exemple, et tout ceci. Donc, on était vraiment parti avec des objectifs très, très mesurés, avec, comment dire, une ambition assez modeste. Ok, parlons des objectifs. Quelles sont les missions et les objectifs de cette organisation Alors aujourd'hui, euh, voilà, on, a, on, on s'est restructuré, on, a, on voit grand aujourd'hui. Euh, chemin faisant, on s'est rendu compte qu'il y a énormément de choses à faire, euh, surtout sur la thématique de, de, de l'environnement ici au Niger. Et euh, nous nous sommes dit qu'on va se professionnaliser, qu'on va, euh, qu'on va développer nos compétences, qu'on va développer et améliorer les capacités de l'ONG afin d'avoir euh, des impacts beaucoup plus importants, beaucoup plus durables sur le, sur le terrain et sur le long terme. Donc c'est en ce sens qu'on a tenu une assemblée générale en 2021 et donc, euh, après la Covid-19, ça n'a pas été facile avec la pandémie. En 2021, on a tenu une assemblée générale dans laquelle on a redéfini les objectifs de l'ONG, euh, redéfini euh, les orientations stratégiques de, l'ONG. Par exemple, actuellement, nous possédons un plan stratégique sur, sur 2030. Donc, voilà. Et dans ce plan stratégique, il y a par exemple notre, notre mission qui est de, de, de, de comment dire, de contribuer à la, conservation de l'habitat des espèces fauniques et de l'espèce et de l'espèce en elle-même. Ça, c'est vraiment euh, notre mission phare euh, que nous nous sommes que nous nous sommes assignés. Il faut se dire que vous, vous êtes sur un gros chantier et justement, quels sont vos zones d'intervention et les actions que vous menez sur le terrain Comment vous travaillez comment, comment ça se passe Alors, pour nos zones d'intervention, disons qu'on intervient partout où il y a besoin, partout où nous nous sentons comment dire, en capacité de, de répondre de façon efficace. Mais nous avons quand même des spécificités, c'est-à-dire euh, euh, nous avons des régions pour lesquelles nous avons un certain focus, un certain intérêt par rapport à d'autres. Je citerai par exemple la région de Maradi, dans laquelle euh, nous menons à peu près 70% euh, de nos actions là-bas et nous intervenons de façon encore plus précise dans la zone de Maradi au niveau de la réserve de biosphère des Gadbij. Donc là-bas, nous travaillons avec l'unité de gestion euh, nous travaillons de façon simple avec le, ministère de l'Environnement là-bas. Et euh, voilà, je, pense que c'est tout. Ok, Ok. d'accord, toujours en compagnie de notre jeune super-héros de l'environnement, faisons un deuxième tour en musique avec le titre hier-là de Barakina. Barakina, Allah. da juna ba ba yadda da juna ba ba yadda da juna ba malam bai yarda da boka ba bokan bai yarda da malam ba kowa ba kowa bai yarda da kowa ba mata ba su yarda da gayu ba gayun ba su yarda da mata ba kowa Rabi, j'espère que nos auditeurs Soussou Yarda de n'est-ce pas En tout cas, Mou Yarda comment, euh, bon, on le voit bien hein, et merci pour leur soutien à travers leur message de Sin Yarda Voilà Yarda qui signifie confiance et bien le titre de la chanson que vous êtes en train d'écouter en ce moment. Un son qui cartonne sur la plateforme musicale et même sur les réseaux sociaux. Le son vraiment nom, Moubarak Issoufou connu sous le nom de Barakina Bawan Allah, un talentueux artiste nigérien, révélation de l'année. Euh, 2017, ouais, ça, je me comprends pas. à travers sa parfaite maîtrise du rap, euh, l'afro-trap, trap hausa, euh, euh, afrobeat, il est l'un des artistes urbains les plus célèbres du Niger. Il crée son propre label de production indépendant Musikina Record en raison du manque de promoteurs au Niger. Puis devient le premier artiste signé avant d'ouvrir les portes de son studio à plusieurs jeunes pour leur enregistrement et arrangement c'était Yarda de Barakina, c'est toujours pour mon souffle. <laughs> Poursuivant notre entretien avec notre invité écolo. C'est comment Ismaël ça va, Comment votre organisation travaille et quels sont les partenaires qui vous épaulent dans vos actions alors, comment est-ce qu'on travaille Disons, euh, à ce niveau aussi, on a, une stratégie. Euh, par exemple, on, la base sur le faire-faire, souvent. On a également des partenariats euh, avec, des groupements, des groupements de femmes, des groupements tout simplement dans, les zones, dans nos zones d'intervention. on a également, comment dire, on évolue dans le partenariat public-privé, mhm. le PPP, partenariat public-privé. Donc, c'est vraiment notre, notre méthode de travail à ce stade-là. Ok, d'accord. Comment vos initiatives sont accueillies en zone rurale Comment ça se passe vraiment sur, bon, sur le terrain Si je dois faire notre propre euh, évaluation, je dirais qu'on est quand même très très bien reçu parce que euh, nos projets sont formulés pour la plupart par les bénéficiaires eux-mêmes. C'est-à-dire ceux-mêmes qui viennent avec, euh, avec euh, des problèmes euh, qui, sont, qui ont une grande préoccupation pour eux. Et nous, nous essayons d'apporter tout simplement un appui, un appui technique. On, rédige le projet avec eux et nous partons à la recherche des financements pour la mise en œuvre de ce projet-là. Donc c'est tout à fait logique si vous voulez que quelque part ils apprécient que les retours soient positifs à notre, à notre égard on n'a on a jamais pris un projet comme ça qu'on a réfléchi dans nos bureaux pour aller euh, pour dire qu'on va aller sur le terrain mhm, mhm. et, Faire, la mise en œuvre. Nous essayons toujours de coordonner avec euh, les municipalités locaux, mais également avec, euh, avec les groupements, comme je l'ai, comme je l'avais dit, et de façon plus étendue avec tous les autres acteurs et les autres leaders euh, communaux. Pour avoir un peu d'image de ce que vous faites sur le terrain, est-ce que vous êtes aussi dans la formation Est-ce que vous êtes dans la confection de voilà euh, On veut on veut avoir quelques images de ce que vous faites. Euh, alors. par exemple, nous faisons tellement de choses que je ne sais même pas par, quoi commencer. <laughs> Est-ce que vous êtes dans la formation aussi, par exemple sur le terrain, des villageois qui, qui, qui viennent, qui ont besoin d'être formés dans des techniques agricoles Vous êtes aussi dans ça Absolument, oui. Je, je, vous donne un exemple euh, très récent. Par exemple, euh, nous avons initié euh, la, formation d'un groupement, d'un groupement de femmes sur la coupe du bois, tout simplement. C'est-à-dire comment prélever du, bois des chauves sans pour autant porter dommage. l'environnement, <laughs> les, arbres, uh-huh. tout, tout, simplement, quoi. Comment et, à quelle période le faire. Tout ça, c'est des choses vraiment très, très importantes donc d'autres trouveront peut-être banal, mais nous, nous savons que ça a une, grande importance parce que quand on ne sait pas comment s'y prendre, comment couper du bois euh, sur un arbre, bah, souvent nous risquons de les tuer, mhm. nous tuer de tuer l'arbre tout simplement. Et euh, de fil en aiguille, euh, si on tue 1, 2, 3, quatre arbres, bah, sur l'année, il, ne restera certainement pas grand-chose de la forêt. Ou, et mm. aujourd'hui, quels sont les défis auxquels vous faites face dans votre organisation et les défis du pays face au bouleversement climatique Selon vous Pour notre organisation, je crois que le défi il est assez euh, global, euh, c'est-à-dire que toutes les autres organisations rencontrent les mêmes difficultés, c'est surtout l'accès au financement. Ça, c'est vraiment un très très grand défi que nous essayons de relever chaque jour. Mais euh, ça va, nous, nous, arrivons à, en trouver à, par-ci par-là et faire euh, la mise en œuvre de nos projets. Il y a aussi, euh, c'est pas faute de le dire, le défi de, la compétence, des capacités. Ça, c'est quelque chose dont on aura toujours, toujours besoin parce que nous utilisons par exemple les nouvelles technologies, surtout euh, euh, comme je le disais, on est, on est géographe, nous utilisons donc énormément, par exemple, des systèmes d'information géographique pour avoir des données précises sur, euh, comment dire, sur, un, sur un environnement bien particulier, sur des écosystèmes bien particuliers. Et voilà, c'est des technologies, c'est des logiciels qui sont en, en, constante amélioration et donc nous aurons toujours, toujours besoin d'augmenter nos capacités. Et c'est là euh, l'aide de nos partenaires est vraiment, vraiment la, bienvenue. Et en ce qui concerne le pays, euh, bon, voilà, même si c'est brièvement, même si c'est un gros chantier, brièvement, on peut avoir, euh, selon vous, le, défi majeur. Le défi majeur aujourd'hui, j'ai l'habitude de le dire partout où c'est possible de le dire, c'est vraiment l'insécurité. Aujourd'hui, l'insécurité empêche la réalisation d'énormément de problèmes. Nous, nous sommes une organisation environnementale. Nous intervenons au niveau des parcs et des réserves. Et euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a aujourd'hui euh, le parc W à titre d'exemple qui est totalement inaccessible aujourd'hui. C'est n'est plus possible de faire de la conservation au niveau du parc. Et la raison en est simple, basse l'insécurité tout simplement. L'État fait de son mieux pour essayer, euh, comment dire, de, mettre fin à cela. Mais quand même pour le moment c'est un très très gros souci parce que voilà nous ne savons pas exactement ce qui se passe. D'accord, merci beaucoup Ismaël d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. C'est l'heure de notre rubrique hebdomadaire. Oui. <clears throat> Aujourd'hui, nous saurons comment se fait la vérification d'une vidéo sur Internet et ce sera avec notre, notre, notre, camarade, notre collègue euh, Ousmane Mahmoudou. bonjour. Ousmane, merci de nous accompagner sur cette édition. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Bonjour Ousmane. C'est comment pouvez-vous nous expliquer un peu comment se fait la vérification Alors, euh, donc aujourd'hui, la rubrique éducation, on va parler, on va voir comment en fait vérifier des contenus multimédia, en particulier la vidéo. Il y a eu une euh, chronique précédente qui nous a, dans laquelle on a vu comment vérifier des images sur Internet. Donc aujourd'hui, avec l'ère des réseaux sociaux, il y a des vidéos qui viennent de partout, que ce soit de Facebook, de YouTube, euh, même sur WhatsApp. Ça circule beaucoup dans les groupes et souvent, bon, on est tenté de partager, même si on ignore euh, la provenance, etc. D'accord. Oussou, quelles sont les règles de base pour vérifier une vidéo sur le net Alors, je vous ai préparé quatre principaux points. On va voir aussi qu'il y a quelques outils qu'il euh, faut peut-être mettre dans son. quelque part noter qui peuvent vous servir. Donc, quatre petites règles de base euh, qui vont vous aider vraiment à un peu commencer une petite investigation. Donc, mhm. dès qu'on voit une vidéo sur, le, sur n'importe où, que ce soit sur les réseaux, voilà, n'importe quel type de plateforme. Euh, la première chose qu'il faut regarder, c'est la provenance de la vidéo. D'où est-ce qu'elle vient, cette vidéo-là Est-ce que la personne qui l'a partagée est une source fiable C'est-à-dire, est-ce que c'est une personne ou un journaliste ou une autorité publique euh, ou, euh, je ne sais pas, une autorité communale en tout cas, à laquelle on croit. Donc, il faut regarder cet aspect-là. Donc, euh, il ne faut pas avoir tendance souvent à partager directement des contenus publiés par des individus dont on ignore euh, l'identité. Voilà, l'identité et pas mal de choses. Le second point, c'est euh, de regarder les éléments de preuve. Alors, un élément de preuve, c'est quoi C'est tout ce que vous allez corroborer comme date, comme, euh, euh, comme des indicateurs dans la vidéo. Souvent, dans des vidéos, vous avez des panneaux publicitaires, des affiches dans la rue, toutes sortes de signalétiques qui peuvent vous aider à recouper les sources pour dire ah par exemple cette vidéo là ça c'est pas par exemple une plaque qu'on trouve à Niamey mais plutôt mm-hmm. une plaque euh, publicitaire à Abidjan ou à Zender ou à mm. Agadez au niveau local ou non. Ça, c'est pas le marché de Niamey. Ça, on sait que c'est le grand marché peut-être de Maradi. Donc, des types d'infos comme ça qu'il faut recouper, etc. Je sais que, par exemple, beaucoup de pays ont différentes sortes de feux rouges, de feux de circulation, même les plaques d'immatriculation des véhicules. Hein. Exactement, la couleur des taxis. Donc, tout ça, ce sont des petites preuves qui peuvent être mises ensemble pour déduire quelque part la provenance de la vidéo. Ensuite, euh, vous avez un troisième élément qui, qui, qui est aussi assez crucial, c'est de regarder la qualité de la vidéo. En général, quand vous voyez une vidéo qui de base est floue, il faut commencer à vous poser des questions. Donc, essayez de chercher la version euh, en HD, en haute définition, pour arriver à voir exactement ce qui se passe sur la vidéo. En général, quand c'est flou, c'est que très souvent, les personnes qui font de la manipulation essaient de cacher des détails qui peut vous empêcher d'investiguer plus loin pour savoir d'où est-ce que ça vient. Mais il faut être professionnel pour savoir ce genre de, trucs. truc. Mais si on n'est pas professionnel, comment on peut le détecter enfin, Pas du tout. Pour ce type de remarques-là, je pense qu'on n'a pas besoin d'être professionnel. Si N'importe qui. floue. Oui, si une vidéo est floue, j'ai pas besoin d'avoir un doctorat en photographie pour le savoir. <laughs> On est d'accord. Donc ça, c'est des petites règles que tout le monde peut appliquer. Et enfin, le dernier point, le quatrième, concernant les règles de base, c'est euh, les commentaires qu'il faut lire sous tous les contenus qu'on voit, en particulier les vidéos. Donc, souvent, les gens, ils donnent déjà des, indications dans les commentaires. Souvent, il y a des pistes déjà que des journalistes ou bien des citoyens lambda ont déjà donné. Ah non, ça, c'était pas ici, on a vu ça là, donc on a vu ça, etc. Donc, lisez les commentaires, c'est super important. Et enfin, on va passer aux outils qui vont vous... les outils de vérification en ligne, c'est ça Oui, exactement. Donc, euh, si vous souhaitez devenir, euh, euh, je ne sais pas, un expert en vérification de vidéos, alors il, existe trois outils principaux qui fonctionnent très bien, qui sont utilisés par les professionnels cette fois-ci, on va dire, ou des blogueurs, ou des internautes en tout cas qui s'intéresse à faire de la vérification. Donc, ou des journalistes. Ou des journalistes, tout simplement. Mhm. Donc, le premier outil, ça sera la recherche, ce qu'on appelle la recherche inversée dans Google. on a vu la semaine passée. Alors, c'est quoi Dans Google, il y a, euh, dans la barre de recherche, il y a, tout à droite, il y a une petite icône de caméra, d'appareil photo. Donc, vous glissez votre image là-bas, euh, dans cette section, et Google va vous ressortir la première occurrence de la vidéo sur le web. Quand est-ce qu'on a vu cette photo, cette vidéo apparaître la première fois sur Internet Donc ça va vous aider à remonter les sources. Il y a aussi un autre outil similaire qui s'appelle TinEye, qui s'écrit T-I-N-E-Y. Mhm. Tin et Eye des yeux, donc qui fait à peu près la même chose. Après, vous avez un outil, cette fois-ci de vérification vidéo, mise en place par Amnesty International. Donc très facile à trouver, vous tapez outils vérification vidéo Amnesty International, vous allez le trouver. Et donc lui, comment il fonctionne, vous copiez le lien YouTube de la vidéo, vous l'intégrez dedans et il va vous la rechercher partout où elle est apparue. Mais le problème, c'est qu'il est limité à YouTube. Donc si vous voyez une vidéo sur WhatsApp, par exemple, l'astuce, c'est de télécharger la vidéo, la renvoyer sur YouTube et de lui dire de la rechercher. Donc il va regarder partout où il a vu des séquences, etc. Mhm. Et le dernier outil, je sais que vous êtes pressé, <laughs> euh, ça s'appelle, c'est un petit plugin qui s'appelle InVid, qui est très très bon. Donc lui, un plugin, donc c'est un petit, euh, une petite extension supplémentaire que vous allez ajouter à votre navigateur Chrome, Firefox, qu'importe. Donc, une fois qu'il est intégré, vous le mettez la vidéo et lui, il va se charger de vous la découper, de trouver tous les éléments qui peuvent vous permettre de corroborer la vidéo. Merci, merci. Merci, <laughs> On devient high-tech, on devient 2.0 dès qu'il passe <laughs> au studio. <laughs> Merci. merci beaucoup, et à bientôt. Bye bye. Bye. Rabi est notre titre à nos auditeurs auré de Big Abdel. Cette émission est vraiment à fond hein, dans la promotion des athlètes nigériens. On l'écoute et on se prend juste après. Big Abdel. Travis Glass on the

kai kaga ne ta ka ce kana santa da aure oh, oh. wasu ya kare komi an dai yau ka zan an ah, toho ita ko ta zan an mariya zama lafiya chine yau za a maku fata hankuri da juna ya zama tina sai tsufa ranar sallah ce ku sake ɗi ɗan ranar murna ce ku da ki ranar sallah ce kusa kiɗi 'yan gada ranar murna ce dezela eu montei a fo Sobre iga suru danga goroho Ni kurunya jerga uga bisa Agabani magase nani sambuga te hondi Si bonzi ki asani se ni kurunya no mabondi Agabani magase nani sambuga te hondi Windogo ni kambara Ngunu wandani Nous dédions cette belle chanson à oreille à tous les jeunes mariés et futurs jeunes mariés qui nous suivent sur cette émission. De son vrai nom, Amadou Gado Abdoulaye, alias Big Abdel, est un artiste chanteur, auteur, compositeur. Classé premier de l'édition 2019 du concours Tremplin Jeunes Talents du Niger, Big Abdel s'est distingué tout au long du parcours de par sa double qualité, aussi bien dans le chant que dans le rap. Défini comme quelqu'un d'introverti, Big Abdel explose littéralement la baraque au contact de la scène et du public. L'artiste engagé, il voit la musique comme un outil de sensibilisation et d'éveil des consciences. Depuis son sacre, il s'est renforcé considérablement à travers la pratique de la guitare et s'oriente de plus en plus vers une musique plus universelle. cette pause musicale, cap sur Tilaberi, plus précisément dans le département de Balayara, où les motos circulent à nouveau dans la zone. C'est suite à la décision du Conseil des ministres du 27 avril 2023 qui a décidé de ne pas proroger l'état d'urgence dans les départements de Balayara et Kolo. Quelle, quelle est l'ambiance dans la ville de Balayara un mois après Suivez le reportage de notre correspondant Seydou Abdou Winditan. zame hando a girbihin ka kan ta kan ga gode lakkal kane pelar departement rana charmar gubu ina porpor ko ino fondo imi barbare shin da zari wone barmen fona kan de rifur kwarara kadi no bore gonga gote da amadu zibtondi amantikal ka ka bizino kan gonongo balera ane akan ninge se barmen gungumo hay kan ci igodo hare lokaci gul kan cin borani ce ni gin ko ninga malato sambu kan da se doktor kara lokaci gul kan cin nona ko ka ka zumbu dani ce ligin ko ni ma sambu ni ko da ko kan da ne mu gum bore se irla bora irgo sabu mo gwamnati Santos madam yayi hapsu borfono kan gono din sha to kurara inga yiwo halla sai bumbuno porpora kitan cigin kan dinga sai ruwa kan dir sai gwamni zama da borfun nariya ni ka ka zumbu cigin in sibe matkan nigati ya dinga ta popor gono sadin dano nigani amin san ba mu konni nin fu yunusa musa amanti kalfatauki zino kan gubani bungute samo do nongo balyara ane kan zade na kan da haikin gicin ga fatauki sai bore kan go farera inga no ga kware de tonton kuna nigin ka kani popora bon ni zongo ni ma wini me to kan ce gano bo shinka funkane moran ke yani ga poporeten yo il fatawci zai agir tontoniro hino do hare ir komano alomar baida albarkin ci tagazar banko no wakilu ane kan gina koy na kande hay kan ci balayar labo al'umma man dame mesi na fabban patana kande se cigin go cigin boran kafun nariyan ibi ma koy fuyan motoci im kaf ka za kan na fa no zari gan si yan kan ni kwara ga cirkas wa akul ga kan na fabban patano akande sai tagazar labora borgo makani mu porpore kan go indi cinin da zari amantikal zadayan hay kan ki balayar labo al'umma man dame sai sai du mataran kani ban san mataran kana mata gaham mata balayar yar Balayar kulu wallar sabu. kur bir ko saw to aburi dai no sonda ir hangan ni barbata sa ir ma kan aran ne kan poporai gon ga sintin gi windi no deni Dai poporai kan sintin gi windi goy fo goy fo no mata na gona ga te da dai no deni balayar kwarara gamar kan mara da fakara borbo burki da balayar zada no farfare kan itan cin da zari kande zama wato wato wato zai ne almaro jingar kwara manda me kwara manda ga buno amma son za almaro jingar biyan so bisin no kwara jirgire kul zaman din san buga lara an san din da hun kuna eh, jediyo kan rigo abu yango ne kan wono din tondi kan jela bora wana wano din fondu beri da ko golla bora yeda to abi zai din ko kakara almaro banda a afuwan wani kan ikwar gumur har sa jorano da bora ka mota kan kan ni dole ka dindir ce ga kofu in kun ka ka ko go no go kul cinora ya dinu bora kan go sa joran ga mu cinora ka balar kwarara bor kur kan ka mun tudu hakɛ ni si jan haikan ni ya dinga akan da kwarara da ka sai tantan gungumo to buri dai no irgin fondo goyi ni ma ga irgi balle yar bora men da men da kan bani to ai mo go zan ka tudu ki do kalma ngar ko sai ne kana kai merci oh. Chers auditeurs et auditrices, nous poursuivons le rendez-vous du Niger sur Kalangou avec du sport. Grouza est avec nous dans ce studio. Bonjour Grouza. Ah, bonjour Rabi, bonjour Salamatou. Voilà, Grouza, la Fédération nigérienne de sport pour sourds et malentendants, FENISOM, a organisé la première édition du tournoi d'athlétisme d'âme. Oui, les filles ont rivalisé sur deux distances, 100 et 200 mètres sur la piste du stade général Sénou de niami sur les huit régions du Niger, sauf Tilaberi n'a pas pu participer à cette activité du donner et de recevoir. La première place a été remportée par Rahana Adamou de la région de Niamey sur les 100 mètres avec une médaille d'or plus une coupe. Sur les 200 mètres, la première place a été remportée par Nana Nuhu de Maradi, médaille d'or plus une coupe. Gourouza, quel est l'objectif de cette euh, rencontre Oui, c'est de contribuer à promouvoir le sport féminin des sourdes des huit régions du pays, mais aussi l'autonomisation des femmes et des jeunes filles sourdes de ces régions. C'est une activité financée d'ailleurs à plus de 80% par la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. C'est un projet dénommé Sport adapté, initié par la conférence afin de développer le sport féminin pour personnes handicapées vous assure un tout autre plan, Daniel Sosa, un des footballeurs nigériens évoluant à l'étranger, change de club. Oui, Rabi, après trois années passées au FC Slosh, en Bilo-Russie, l'attaquant international nigérien Daniel Sosa a choisi le club FC Kirba, sixième du championnat ukrainien. L'attaquant nigérien du MENA s'est engagé pour deux saisons et demie avec cette équipe ukrainienne dont l'objectif et d'être européen cette saison. Voilà pour le sport d'aujourd'hui. Merci bien, Rosa. À très bientôt. Merci. Voilà, passons à présent à notre rubrique portrait. Euh, pour cette rubrique, elles sont toujours dans le domaine du sport, mais cette fois-ci pour parler d'une personne spéciale à Agadez. Il s'agit de Bachir Ama. Il est passionné de football depuis sa tendre enfance. Rabi, malgré son handicap moteur, Bachir ne s'est pas empêché de créer un club de football dénommé Nassara Atlantique Club. Anissé Karim s'est allé à sa rencontre. Suivez-le plutôt. Moi, je suis gardien. Comme je ne peux pas jouer dans le foot avec les amis d'enfance, moi, je suis gardien comme j'ai un handicap. Depuis que je suis enfant, je suis amoureux du football. Donc, quand je suis rentré à l'école, en classe de CI, à l'école, on cotise pour payer des ballons pour jouer. Donc, c'est en ces temps vraiment que je suis très très amoureux du football. Et maintenant, après quand je suis un peu grand, donc je peux pas laisser le football parce que je l'aime. J'ai essayé du club et créer le club sera assez. Depuis quand tu as créé ce club Je me suis renseigné comment je peux faire pour avoir l'affiliation de la Fédération nigérienne de football. Donc on m'a tout expliqué, j'ai préparé le dossier. Donc le club a été créé depuis 1987. ça c'est pas un club avant, c'est les équipes de quartier. On a commencé comme ça depuis 87, mais on a eu affiliation à la Fédération nigérienne de football le 21 février 1998. Quand on a commencé, on a commencé de faire des licences de cadets et de juniors. Donc on a commencé comme ça petit à petit jusqu'à nous avons fait les licences des seniors. Donc l'équipe maintenant on a une affiliation nationale. C'est un club maintenant des ligues nationales. Ici à Gadez, on a remporté beaucoup de trophées, à peu près 23 trophées. Et encore en plan national, on était jusqu'à demi-finale. C'est le club de douane qui nous a éliminés. Encore, j'ai gagné beaucoup de prix. Et encore des témoins de satisfaction que j'ai trouvé vraiment avec la mairie, avec les autres associations, les ONG. Vraiment, je suis très content. En tant que euh, personne euh, vivant avec un handicap, cela euh, ne vous dérange pas non, non, non, ça ne me dérange pas. Vraiment, moi, je suis très, très content même que je suis handicapé. Ça n'empêche pas de faire ce que moi je veux. C'est avec mon handicap, j'entraîne le club et tout ce que moi j'ai dû aux joueurs, ils me respectent beaucoup. L'handicap, c'est pas un problème. C'est pas tout le monde qui comprend. Si tu as un handicap, tu n'es pas éliminé de ta société. Tu peux faire tout ce que les autres font parce que c'est dans la tête. Aujourd'hui, vous avez formé combien de joueurs et qui jouent à l'extérieur ou bien dans l'équipe nationale J'ai formé beaucoup de joueurs qui jouent à l'extérieur, au Nigeria, au Congo, Djibouti. Et un peu partout ici au Niger, dans le club de Super League, et dans le club de Ligue nationale, dans le club de deuxième division. Et encore, il y a des joueurs qui jouent même dans l'équipe nationale du Niger. Donc les difficultés qu'on rencontre vraiment, c'est le soutien financier. C'est ça qui nous manque ici dans la région d'Agadez ou bien même de la commune, les autorités ne nous appuient pas parce que nous, nous sommes en train de faire un travail. On est en train de récupérer les jeunes. Donc vraiment, on a besoin de soutien des autorités et des partenaires et des gens qui ont des moyens. C'est ça qui nous manque beaucoup. Et aujourd'hui, à qui peut-on dire de Nassara Assi? Vraiment, Nassara Assi, maintenant, c'est un grand club. Je suis fier de Nassara Assi, vraiment. Parce que depuis qu'on est monté en Ligue nationale, vraiment, c'est manque de chance qui nous empêche de monter en Super League. Vraiment, mon souhait, c'est d'aller en Super League. Depuis 87, à Garez, on n'a pas un club de Super League. Mon souhait, c'est l'amener Nassara en Super League ici à Garez, Inch'Allah. Merci beaucoup Anissé Karim pour ce portrait inspirant. Chers auditeurs, euh, auditrices, euh, reportons à musique avec Sans Rancœur, une collaboration de Ismoan et Elsa. Yeah. One, tu connais la suite. Ils ont tenté de m'exterminer. Ma mission n'est même pas terminée. Trois bas dans les dos après mon concert. Vous n'aurez jamais dû me louper. Toi, t'attends même pas à ma cheville. Dis-moi qui veux-tu tester. Ta carrière est risquée. Si tu me suis, tu vas souiller. S.A. my One, ils sont dans la merde. Entre nous les carrés quand ils sont dans la S. Elles sont de qualité pour les démonter. Ils sont pas contents, hmm, on va les contrer. Je suis béni. Oh là, mon nom tu ne peux le salir. Regarde-moi, Yamé, t'es dans mon cœur. Elle is mon one, et c'est sans rancœur. Je suis béni. Oh là, mon nom tu ne peux le salir regarde-moi. L'ambiance est bonne, on est entre frères. Et ça, is for one. Et c'est sans rancœur. munane maga Allah su ko gare mu kwata kwata sun ki jinin su gamu ko girma hannu bai rufa rana wanda gare su bai ishe su ba dan ya so musu ido to ta Allah batakuba ta fatan su su dai su arami ba ku ki ba sai dai kullum ku Allah ba makia dubu da yawa ka kare mu da sherin su duka sun yi sun yi dan su ga mu a ƙasa mun ki mu mun yi tsayin daka na malami na shine Allah waye isa ya sha da ikon Allah murmushin ta ya ishe ni barka na kashe bitin sai dai wani Oh là, mon nom tu ne peux le salir. Regarde-moi. Yamé, t'es dans mon cœur. Oh, Elsa, saïs mon one, et c'est sans rancœur. Je suis béni, oh là, mon nom tu ne peux le salir. Regarde-moi, l'ambiance est bonne. On est entre frères, Elsa, saïs mon one, oh, et c'est sans rancœur. Ah, c'est qui nous fait, c'est qui nous fait. Sekini bey, sekini bey, sekini bey, sekini bey Encore rancœur, une collaboration de Ismo One et elle, ça, on espère bien que vous kiffez vraiment la playlist qu'on a choisie pour vous aujourd'hui. Passons à présent à la rubrique Lottie qui aborde la question du contrôle parental. En effet, la première responsabilité des parents envers leurs enfants est de les protéger et de leur assurer un développement harmonieux. Cependant, certains parents ne contrôlent pas les contenus que les enfants regardent sur les réseaux sociaux ou même leur fréquentation. Sally Oui, en effet, cela pourrait avoir une influence sur leur bien-être. Écoutons la discussion entre Fanta Chamsou et Retia Arimi sur ce sujet. barka Roma. Ai barka ka dai ke dai bari yau mun kwaso gajiya sosai. Ai gajiya kai akwai To, wai ma ina yaran suke? Ai ya ci a ce sun sabko daga makaranta tun ɗazu. Lallai dai kam, to duwa ki gani watakila suna cikin ɗakin su. Bari in je in kai kai kai mi nike shirin gani mi kake kallo subhanallahi kashe mini wannan kwamfutar kowa ya koya maka kallon wa'annan mugayen abun bari babanka ya zo zaka gane kurenka. Hmm. ke kawata wai lafiyar ki kuwa an ya kina jin da kike ihu haka ko ina ana jin har bakin kofa hmm. ruma bari abun ne ya fi karfi na ai ke ma dan baki ga abun da na gani bane marwan ke kallon irin mugayen shafukan nan na yanar gizo akan sa. Kwamfuta kuma? Shi yanzu wannan ɗan mitsitsin yaron har da kwamfuta kuka bashi? Haba, to dan ya mi da ita ma wai. Ai wai abokanansa na makaranta ne ya gani suna da shi, ya zo ya ɗora wa baban shi kuka sai an saya mishi guda, sannan baban ya sayo mishi. Amma yanzu, kin ga wannan al'amarin ya fi ƙarfi na wallahi ruma. Komi muka gaza a cikin tarbiyarsa. Ke 'yar uwa, kwantar da hankalinki kin ji ai ba zancen tarbiyyar da kuka baiwa 'ya'yanku ba ake yi a nan wurin masu ɓata sun nan a waje ne suke shi ake magana a nan kin gane wato mugayen abokai a makaranta ko cikin anguwa eh mana ai ni ma na samu irin wannan matsalar kwanakin baya da ta safi Jan Allah kuma baki taɓa min magana shi ba da gaske ko nake miki ƙawa amma fa akwai mafita a nan. To, taimaka mini ni dai wannan abun ya ɗarme mini kai sosai. To da farko dai ki sani, kariya da tarbiyyar ɗiyanki tana da dangantaka da kulawa da su, kamar kulawa da fita da dawowarsu, da kuma abokanan da suke yawo tare. Amma fa ba tare da kin sha musu kai ba, sai kuma kin lura sosai da abubuwan da suke yi akan yanar gizo. Kuma zan ƙara jaddada miki, kar matsa musu, kar ki tsatsare su, kar ki tauye hakkinsu. wai ni kaina to yaya ma zan iya yin wa'annan abubuwan duka da kika zana mini Ki sani incin da ke gare ki a ki na uwa bai da sauki ko ɗaya don idan kika matsa ma yaro zai iya kangare miki gaba ɗaya ya kumbishire miki a duk sanda yake ƙara girma sai kin kama jikinki sosai. Don Allah ki rage wannan dogon ilimin naki ki tsaya ki mini bayani da kyau akan yadda kika magance matsalar ki da iyaki. To in dai har akan kwamfuta ne abu mafi sauki shine ki samu manhajar nan wanda uwaye za su iya lura da duk abin da ke faruwa akan kwamfutar ɗiyansu. Ki sauke ta akan kwamfutar shi, sak za ki rinka ganin duka wani abu da yake yi akan kwamfutarsa. Kuma duka irin mugayen shafukan nan za ki iya taushe su yadda ba zai iya hawa a kansu ba, har da mugayen firarrakin nan ba zai iya yi ba. Hmm, kuma yana aiki da kyau? Ɗari bisa ɗari mako, in dai har ba kalmar ki suka gane ba. to baki da matsala ko ɗaya. Don idan yara suna hawa waɗannan kafofin na sada zumunta kamar su Facebook, su Twitter, su Instagram, kinga suna iya yin hira da waɗanda ba su sani ba. Kenan kinga akwai matsala a nan wurin. Kai, wannan abu kamar da wuya yake, wai an ce gurguwa da auren nesa. Ko ɗaya ƙawata, kawai dai zai ɗaukar miki ‘yan kwanaki ne. Kinga idan mai gidan na ke zo, ku firanta a kai don ku samu ku fara tun wuri. Kafin nan bari ki ga in tashi in kwace dukkan wa'ansu na'urori da ke hannu shi da ‘yan Ai bari ke dai, yau kin taimaka min, kin wayar da kaina. Na gode sosai ƙawa. Ai ba komai ƙawa. Merci les filles pour vos lotis toujours plus inspirants les uns que les autres c'est le moment de passer à notre rubrique culture linguistique et ça sera avec Soumana Amadou qui va nous expliquer les contours de la transhumance. C'est vrai qu'on en parle surtout avant et après la saison des pluies. Et justement, je crois que c'est le moment d'en parler, n'est-ce pas Soumana Bonjour Bonjour, c'est vrai. Euh, on entend par transhumance le déplacement saisonnier d'un troupeau en vue de rejoindre une zone où il pourra se nourrir, un endroit avec de l'eau et du pâturage. Cela concerne aussi le déplacement du même troupeau vers le lieu d'où il était parti. La transhumance est une pratique qui s'est fait par les éleveurs pour assurer une alimentation naturelle et de qualité au bétail. Il peut se faire d'une région à une autre ou même d'un pays à un autre. Et c'est là qu'on parle de la transhumance transfrontalière. Il a été démontré que la transhumance est due en majeure partie au déficit en ressources fourragères et hydriques. Le calendrier, l'itinéraire suivi, les temps de séjour dépendent de la disponibilité des ressources pastorales, des zones d'attache, de transit et d'accueil. Et généralement, la transhumance se pratique en saison sèche ici au Niger, par exemple. Okay. Et là, je vais maintenant vous expliquer le mot en fulfulde, <laughs> si vous le permettez bien. <laughs> nden en kaali haala durooɓe hoɗa eggaaɓe ɗimon durol hoɗa egga kam wonno dabbaji immo nokku yaade tewtoyde durande nokku to durande heƴƴi kañum e ndiyan heƴƴi ɗum konɗan wonnana ni fa hannde du dabbaji ɗi ƴuwa to yehi toon warta to dilluno ton ɗum wonno hoɗa egga o gaden du eɗum ndaara hono nokkuje to wawi heɓeede keƴoral hono durande nde kañum e ndiyam nokku to ɗi jotto to e jahangal to tokkoto ɗon e fande wakkati ko ɗi gatto e nokkure nde enɗan funo ndaara keƴƴoral hono durande nde kañum e ndiyam nonne fa waɗi joni konda ni so en daari hoɗo eggo on enɗan no laati hunde saɗɗorma ndiyam kañum e jaccere ñamri dabbaji ɗum woni durande yaawi wadde dabbaji ɗi egga hoɗa e nokkuji goɗɗe feereje goɗon gam batte tewtoyde to wawi heɓude hono fa wara joni to ni ko wuuri Merci beaucoup, Soumana, euh, <laughs> chers, auditeurs, auditrices. Si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, Hausa, en german, en tamashek ou en fufulde, n'hésitez pas à laisser un mot au 82 89 89 64. Je répète, 82 89 89 64. Rabi, il est temps pour nous d'écouter nos auditeurs. inda asma musa walla minen kettini yautere di istiyo kalangu wattata yewtere ɓurde welde kan won lotti do minen kaɓa um yautere yewtere den he yewtere de um wattata ñande talata terdo ni da sanna maari ña gonɗo ballay yara amina gonɗo nyamai. sanna siddo gonɗo kotonu inda an aissa haruna yetta inda. an walla sanne sanne miɗen hettina ɗum miɗen hettina istiyo kalangu sanne ngam o furtini hoore amen komi andi koɓe mbatata neɗɗo neɗɗo de ɗin fettike radio kalangu labaraji fuko din bata da radio kalangu ni ne amadu abdurrahman mazaunin garin bande ni abocin sauraron studio kalangu ne ta hanyar radio ikra bande musamman shirye-shirye da studio kalangu suke yi akwai bangare deva akwai kuma bangare tayare guda biyar da ake yi musamman gaskiya harkar studio kalangu mu muna sauraron su ta bangare na abubuwa da suke shirye-shirye na gaskiya ne wanda dira ta kawo wanda labari ne wanda na ƙasa da ake badawa muna jin daɗin amala kuma muna jin daɗin daɗin sauraron su da kyau kuma akwai ma'abota sauraron studio kalangu bangaren banda akwai abdu dan bariki akwai wani petit frère ina ana ce mishi akukuli akwai kuma tonton ina a niamey ana ce mishi ali mutari tayar Je m'appelle Moussa Mahaman, ici au niveau de Balayara avec euh, la radio d'Alol. J'écoutons régulièrement les programmes de Kalangu. Je crois que Kalangu aujourd'hui a presque même une radio internationale comme RFI parce que il euh, capte les informations de tous les côtés et c'est grâce à Kalangu que aujourd'hui nous sommes informés de l'actualité nationale et internationale. Auparavant ici au niveau de Balera euh, on n'a pas les émissions des autres radios donc euh, avec Kalangu maintenant tout ce qui se passe dans le cadre de la sensibilisation, les projets et autres là, Kalangu les enregistre et nous met ça. Donc euh, vraiment, ça a changé beaucoup dans la vie des auditeurs, ceux qui écoutent bien sûr Kalangu. Euh, parce que on est informé au quotidien. Je salue donc euh, les gens du côté de Tilaberi et du côté de Saï, du côté d'Osso, etc., etc. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Vous êtes bien sur l'émission Le Niger sur Kalangu présentée par Rabia Meikano et Salah Matou à mes côtés. Chers l'auditeur, c'est l'instant pour nous d'aller voir les couleurs de la grande édition du soir et ça sera avec Rukayatou Abdurrahman. Elle nous dira les titres de cette grande édition. Bonjour Kayatu. Bonjour Rabi, bonjour euh, Salamatou. Bonjour. Ah, voilà, alors parlons de conditions pour le pèlerinage à la Mecque. Peut-on financer son Hajj avec de l'argent collecté dans une tontine À suivre le prédicateur Mahamadou Mustafa, membre du Conseil islamique, pour les explications. La campagne pour les élections législatives de la diaspora a débuté le 28 mai et se poursuit. Zoom sur la Côte d'Ivoire, les détails de l'édition du soir. En partie magazine de cette édition, un entretien avec le président du réseau des journalistes pour l'eau et l'environnement Régia sur le code de l'eau. C'est tout pour les grands titres du soir. Merci bien, Rocky. Je crois qu'on va encore aller en musique pour le plaisir de nos auditeurs. On écoute Abdou Salam. notre émission Le Niger sur Kalongo. Vous étiez en compagnie de Salamatou Kaliri et Rabia Meikonou. Le rendez-vous est pris pour demain avec notre présentation en duo. Excellente journée à vous. Au voit. Bye bye, Rabia. Bye bye.